Thank you. Auditeur auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Niger sur Kalangu. C'est toujours un grand plaisir d'être avec vous pour vous servir. À la présentation, je suis Habiba Ahmed. À mes côtés, Salamatou Kadri. Bonjour Salamatou, comment tu vas Je vais bien Habiba, sur quoi portera notre émission D'abord, le flèche d'information comme d'habitude Salamatou, la rubrique éducation numérique. En écho des régions, nous ferons un tour à Tessawa. Après, suivrons les lotis de l'équipe femme du studio Kalangu, la linguistique et notre page sport. Dans ce même numéro, nous souffrons un entretien sur l'oignon blanc de Soukoutan avec le chargé du programme Souveraineté alimentaire succède à la personne de Oumarou Hamma Moutaled. Les Niger sur Kalongo, c'est aussi 100% de la musique nigérienne. Top, c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Tout de suite, les flèches d'information avec euh, Fanta Chamsou. Bonjour Fanta. Bonjour Habiba, bonjour Salamantou. Bonjour Fanta, quelles sont les nouvelles ce matin Alors, euh, dans une circulaire datée du 10 avril, la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Sherif, a annoncé la poursuite de l'expérimentation de la journée continue dans tous, les dans tous les établissements scolaires publics et privés du pays. Cette décision instaurée le 10 mars dernier à la veille du mois de Ramadan visait à accommoder les élèves et le personnel enseignant pendant cette période de dévotion et sa poursuite en permettra, selon le circulaire, au comité chargé de réfléchir sur l'instauration de la journée continue la possibilité d'avoir des éléments d'appréciation qui rendent compte de la mise en œuvre de la journée continue en dehors du mois de Ramadan. Ainsi, les responsables administratifs des structures déconcentrées de l'éducation et les responsables des établissements scolaires sont tenus chacun en ce qui le concerne de réaménager les emplois de temps afin que les activités euh, scolaires se déroulent du lundi au jeudi de 8h à 14h et ces activités seront ponctuées de deux pauses en récréation de 30 minutes chacune. La première interviendra de 10h à 10h30 et la deuxième de midi à midi 30. Et pour le vendredi, les activités scolaires se dérouleront de 8h à 13h avec une pause de 30 minutes entre 10h et 10h30. Et suite à l'interpellation de son ambassadeur, l'Algérie a convoqué à son tour l'ambassadeur du Niger à Alger pour exprimer son mécontentement concernant les déclarations nigériennes sur les opérations de rapatriement des migrants. Elle a souligné l'importance d'un cadre bilatéral existant pour traiter cette problématique, Aminou Malam Manzo, l'ambassadeur du Niger en Algérie, a été convoqué le vendredi 6 avril au ministère algérien des Affaires étrangères où il a été reçu par la directrice générale Afrique. Lors de cette rencontre, Madame Selma Malika Haddadi a exprimé le mécontentement de son pays quant aux déclarations des autorités nigériennes, les qualifiant de jugements sans fondement. Et dans un communiqué officiel, l'Algérie dit avoir rappelé à l'ambassadeur du Niger l'existence d'un cadre bilatéral dédié à la problématique migratoire entre les deux pays. Elle a souligné l'importance de maintenir ces cadres comme principal lieu de discussion et de traitement des questions liées à la migration. Au Mali, les autorités de la transition suspendent toutes les activités des partis politiques et des associations à caractère politique selon un décret pris hier 10 avril en Conseil des ministres par le chef de l'agent, le colonel Assimi Goïta, élu devant deux journalistes par le colonel Abdoulaye Mega, porte-parole du gouvernement. Il s'agit de maintenir un climat de sérénité au moment où le pays est engagé dans un dialogue intermalien. Ce processus initié par la transition pourra mener la paix dans le pays après qu'elle a mis fin à l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Il faut donc éviter, selon le ministre, une, une polarisation de la société au moment où se tient un dialogue aussi important. Et sur le plan sécuritaire, l'objectif est de pouvoir se concentrer sur la lutte contre les groupes terroristes qui continuent de menacer des localités. Le, le ministre rassure que la mesure est impersonnelle et vise tous les partis et associations. Et c'est tout pour le flash de ce jeudi 11 avril 2024. Merci Fanta, passez excellente journée. Merci beaucoup. Chers auditeurs, comme l'a annoncé Salamato en début de l'émission, dans la partie invitée, nous suivrons un entretien sur l'oyon blanc de Susukutan de Soukoukoutan avec Oumarou Hamma Moutaled, qui, je le rappelle, est le chargé du programme Souveraineté alimentaire à Suissette. La deuxième édition des journées portes ouvertes des produits agricoles organisées par Suissette s'est tenue du 4 au 7 avril à Niamey. L'oignon blanc de Soukoukoutan était à l'honneur. À cette occasion, notre reporter Assouman Aboubakar s'est entretenu avec le chargé du programme Souveraineté alimentaire et Suissette, Oumarou Hamma Moutaled, organisateur de la foire. Nous en saurons complices dans un instant. À présent, savourons la première musique programmée sur notre playlist du jour pour se chauffer. Et oui, Habiba, il s'agit de l'artiste Eldam Sero qui nous chante Roni Fulbi. On écoute. bal ful be on tam samba pulono o aja kayi di mata bela yo tampul lo yi di mata bela pangampul lo pangampul lo de Adam Soumana alias Eldem Siro que vous venez d'écouter, chers auditeurs, est né en 1999 à Tamou. Cela fait 4 ans qu'il a commencé à chanter. 12 sons à son actif, l'équivalent de 12 albums. Il chante en Hausa et en Zarma, mais tout récemment, il a chanté aussi en Fulfulde, d'où le titre Ron Fulbe, pour ne pas oublier ses origines, bien sûr. À présent, chers auditeurs, suivez en première partie l'entretien qui porte sur la production et les problèmes que rencontrent les producteurs de l'oignon blanc de Soukoukoutan. Omar Hamma Taled est au micro de Assoumana Aboubakar. Écoutons-le. Monsieur le chargé de programme, qu'est-ce qui explique euh, l'abondance de la production de l'oignon blanc de Soukoukoutan cette année par rapport à l'année dernière euh, Il y a un an de cela, on était euh, à ce même point pour euh, parler de l'oignon blanc et de sa commercialisation, et plus précisément de cette foire. Donc, entre-temps, euh, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour que eh, la production de l'oignon blanc, en tout cas, retrouve euh, sa place au niveau de la commune de Soukoukoutane. Donc, SUCED a consenti, eh, en tout cas, des efforts inlassables à travers la formation, les producteurs à travers eh, l'aménagement eh, des sites maraîchers et la réhabilitation des sites maraîchers existants. Ça nous fait eh, environ 40 hectares de sites maraîchers aménagés au niveau de la commune. Et c'est ça qui a contribué à l'augmentation, en tout cas, de la production de l'oignon blanc au niveau de la commune. Pour rappel, l'année passée, c'était 16 tonnes d'oignons blancs qui ont été commercialisés lors de cette fois, en une semaine. Et cette année, on souhaite que ça soit ainsi, mais avec une quantité plus importante. Tenez-vous bien, eh, cette année, nos producteurs ont amené eh, à Niamey 35 tonnes d'oignons blancs. Donc ça fait plus que le double de la quantité d'oignons commercialisés l'année passée à la même période. Euh, qu'en est-il du problème d'eau quand on sait que les producteurs de Skoukoutan sont confrontés à un problème de manque d'eau Et la question d'eau, succède a su en tout cas surmonter ça à travers le fonçage de forages profonds au niveau des sites, de tous les sites que nous avons en tout cas aménagés, ce sont des forages profonds qui ont en tout cas euh, des profondeurs euh, variant entre 100 et 120 mètres, avec un pompage à l'aide d'un système solaire. Et qu'en est-il par rapport à la promotion des semences de l'oignon blanc du Skoukouta <clears throat> nous faisons la promotion des semences de cet oignon blanc à travers des foires comme ça, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle euh, sous-régionale. pour rappel, euh, l'année passée, en février exactement, on a été au Bénin pour participer à une foire de semences euh, paysannes. Et cette foire avait réuni euh, plusieurs pays de l'Afrique. Donc, tant de l'Afrique de l'Ouest que de l'Afrique de l'Est et même de l'Afrique centrale. Et ça a été vraiment une occasion pour nous de faire découvrir les semences euh, de, l'oignon blanc aux autres paysans qui sont venus d'autres pays africains. Et ça, c'est sur le plan marketing. Maintenant, au niveau local, nous avons formé plusieurs producteurs. Déjà, ils ont vraiment leur savoir-faire, mais euh, il faut toujours un peu euh, booster avec euh, les connaissances scientifiques. Nous les avions formés sur la, production et aussi la conservation des semences d'oignons blancs. Chers auditeurs, nous allons encore souffler à musique avant de poursuivre notre entretien qui font ensemble le titre Saranker de Usmawan et Elsa. Yeah. my One, tu connais la suite. Ils ont tenté de m'exterminer. Ma mission n'est même pas terminée. Trois bas dans les dos après mon concert. Vous n'aurez jamais dû me louper. Toi, t'attends même pas à ma cheville. Tu moi qui veux-tu tester. Ta carrière est risquée. Si tu me suis, tu vas souiller. my One, ils sont dans la merde. Entre nous les carrés quand ils sont dans la haine de qualité pour les démonter. Ils sont pas contents, hmm, on va les contrer. Je suis béni. Oh là, mon nom tu ne peux le salir. Regarde-moi, tu t'es dans mon cœur. Elle is mon one, et c'est sans rancœur. Je suis béni. Oh là, mon nom tu ne peux le salir regardez-moi. L'ambiance est bonne, on est entre frères. Elsa is my one, ah et c'est ah, sans rancœur. Allah gare mu kwata-kwata sun su wanda gare su bai ishe su ba tota Allah batakuba, ta ku ba kullum fatan su su dai su gamo a ba ku ki ba sai Allah makiya dubu da yawa kun ka kare mu da sherin su duka sun yi sun dan su gamo a ƙasa mun ki mu mun yi tsayin daka boka shine Allah waye isa ya sha da ikon Allah murmushin uwata ya ishe ni barka na kashe in sai dai wani wasu Oh la mon nom tu ne peux le salir. Regarde-moi. Yamé, t'es dans mon cœur. Ah Elsa, saïs mon one, et c'est sans rancœur. Je suis béni. Oh là, mon nom tu ne peux le salir. Regarde-moi, l'ambiance est bonne. On est entre frères. Elsa, saïs mon one, ah et c'est sans rancœur. Ah, c'est qui nous fait, c'est qui nous fait. chanson de Saranker de Usmowan et Elsa, poursuivons la deuxième partie de notre entretien qui porte sur les changements opérés par les producteurs dans leur quotidien et les perspectives à venir avec Oumarou Hamma Moutaleb. Il est toujours au micro de Assouman Aboubakar. Et qu'est-ce qui a changé dans la vie des producteurs de l'oignon blanc de Soukoukouta Ce qui a changé concrètement, c'est le niveau de vie, je dirais, par ricochet, parce que quand quelqu'un qui produit une tonne cette année, l'année suivante, il arrive à produire deux tonnes, euh, il est tout à fait logique que euh, cette production améliore ses conditions de vie et améliore sa, résilience face au changement climatique. Parce que Soukoukoutane est une zone où vraiment la pluviométrie n'est pas forcément au rendez-vous euh, toutes les années, comme en tout cas la plupart des, des, terroirs du Niger. Donc cela va renforcer leur euh, leur, résilience au changement climatique. quelles sont les perspectives pour la prochaine phase du projet Nos perspectives euh, pour la troisième phase et pour d'autres phases à venir, c'est que euh, la commune, nous allons accompagner la commune pour qu'elle puisse s'investir davantage afin que cette activité soit pérennisée. Parce que SUCED, c'est vrai, nous sommes un partenaire, mais on ne peut pas être là-bas éternellement. Donc il y aura un moment où on va se retirer. Et nous, notre plus grand souhait, c'est que même après notre retrait, cette activité-là puisse contenir. Et vous l'avez écouté dans le discours du représentant pays, il a exhorté la mairie à, inscrire cette activité de foire, en tout cas annuelle autour de l'oignon blanc, dans son budget pour que, euh, en tout cas, euh, les producteurs puissent s'en sortir. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. Quand ils vendent euh, leur production sur place, dans leur village respectif, vraiment, ils n'en tirent pas profit. Quelle appréciation faites-vous du travail accompli On ne peut qu'être animé de sentiments de satisfaction face à cela, parce que quelque part, on se dit que ce qu'on a fait a été utile et pour nous et pour les producteurs, et par ricochet pour l'ensemble de la population. Voilà, parce que même les, acheteurs qui viennent euh, en prendre, ils sont contents aussi. Chers auditeurs, c'était Oumarou Hamma Moutaled, le chargé du programme Souveraineté alimentaire de Sucette, au micro de Assoumana Aboubakar. Habiba Marco, une pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, il est 11h passé des 19 minutes. Si vous venez de nous capter, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu, une émission de la mi-journée très riche en informations et utile dans votre vie quotidienne. Salamatou, c'est le moment pour nous d'entamer notre rubrique éducation numérique du Et aujourd'hui, elle est consacrée à un sujet qui concerne bon nombre de personnes. Effectivement, Habiba, il s'agit du partage des photos d'enfants sur les réseaux sociaux. Plus de précisions avec euh, Ousmane Mahmoudou, le responsable du desk numérique du studio Kalangou. Bonjour Ousmane. Aujourd'hui, euh, nous abordons un sujet important évoqué par une récente étude de la CNIL euh, concernant le partage de photos d'enfants sur les réseaux. Donc la CNIL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est une institution en France. Mais évidemment, euh, son étude peut avoir des corrélations au Niger, donc c'est pour ça qu'on va en parler. En effet, cette étude met en garde contre les risques bien réels liés à cette pratique. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les dangers signalés par la CNIL alors oui, donc la clean euh, déconseille fortement de partager des photos ou des vidéos d'enfants sur les réseaux sociaux, surtout si le profil est public. C'est-à-dire si votre compte Facebook ou bien si votre compte Twitter partage des, des photos, des contenus en public. Donc les risques sont multiples. Déjà, hein, en 2018, ça fait plusieurs années, il y a le bureau anglais euh, du commissaire à l'enfance qui avait examiné les données personnelles des jeunes, constatant qu'entre 11 et 16 ans, ils publient en moyenne 26 fois par jour sur les réseaux sociaux. Donc, donc ils ont fait le décompte et à l'âge adulte, on a remarqué que euh, les euh, Jean totalisait près de 70 000 publications, susceptibles d'influencer évidemment la manière dont ils sont ciblés par les euh, euh, entreprises pour la publicité, etc. De plus, les membres de leur famille contribuent également à cette exposition avec une moyenne de 1300 photos publiées par les parents avant que les enfants n'atteignent l'âge de 13 ans. La faute aux 53% des parents et proches qui partagent de plus en plus le, des contenus liés à leurs images euh, rappelle une étude britannique de l'Opinion et l'Observateur de la euh, parentalité de l'éducation numérique en cette fin d'année. Alors, Oussou, quels sont les risques tout d'abord, les images, on a vu, j'avais fait une chronique déjà il y a quelques mois mhm. euh, sur une étude que les États-Unis avaient sortie. Donc, les images ici, elles peuvent être détournées à des fins malveillantes. Donc, des individus qui sont mal intentionnés peuvent les utiliser pour créer de faux profils, euh, pour partager les images sur des sites inappropriés, voire les diffuser sur des réseaux pornographie euh, infantile. Donc, des réseaux pédophiles pour être clair. C'est vraiment préoccupant. Y a-t-il d'autres risques à mentionner par la CNIL alors, les photos partagées peuvent également révéler des informations sensibles sur les enfants, comme leur localisation, leur centre d'intérêt, voire les lieux qu'ils fréquentent. De plus, la création d'une identité numérique dès le plus jeune âge peut avoir des conséquences sur leur vie future une fois qu'ils sont adultes. Donc, l'organisation indique également euh, que régulièrement, par exemple, elle est saisie par des plaintes émanant de mineurs ou de jeunes majeurs donc, qui ont grandi et, afin de faire retirer des contenus euh, qui sont des photos, des vidéos ou des enregistrements euh, vocaux postés sans leur consentement par leurs parents. Et c'est possible euh, de disparaître sur la toile euh, comme si on n'a jamais existé Alors, disparaître sur la toile, dès que vous avez un téléphone et une connexion Internet, c'est plutôt compliqué, c'est hyper difficile, c'est pratiquement impossible. Mais en Europe, depuis le RGPD, euh, le règlement général sur les données personnelles qu'ils ont institué en 2016, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé le droit à l'oubli numérique. Donc, par exemple, moi, je suis une personne lambda, je m'appelle Isaac Oumarou il se peut que des gens un moment dans ma vie, j'ai posté du contenu que je n'aimerais pas euh, que les gens voient aujourd'hui. Mhm. Donc, je peux demander qu'on le supprime. Mais attention, c'est pas une suppression. C'est une demande de déférencement. Ça veut dire que, on va dire à Google, OK, chaque fois que les gens font des recherches sur mon nom, il faut pas afficher ces résultats-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que les médias qui ont écrit des articles sur moi, ben, je n'aurai pas ce droit-là sur eux. Le contenu va continuer à exister. Et c'est pas possible aussi de faire la démarche pour des gens, des personnalités publiques. Parce que euh, il y a aussi les citoyens ont le droit de savoir euh, ce que quelqu'un, une personnalité publique a fait dans, dans, son passé pour voter pour elle. Mhm. Donc ça existe, c'est pas disponible chez nous, mais de toute façon c'est assez relatif. Alors, euh, Ousmane, quelles sont les bonnes pratiques que la clinique recommande pour éviter ces dangers Alors, tout d'abord, elle dit qu'il faut privilégier les messages par messagerie instantanée courriel ou MMS. Bon, les MMS, évidemment, aujourd'hui, personne n'utilise, mhm. plutôt que sur les réseaux sociaux. De plus, il faut toujours demander euh, l'accord de votre enfant et de, surtout de l'autre parent <coughs> avant de publier la photo. Il faut aussi éviter de partager des photos euh, qui sont liées à l'intimité de l'enfant. Par exemple, un enfant à moitié vêtu ou pendant qu'il prend son bain. De, et il recommande aussi de dissimuler le visage. Donc, il faut flouter le visage. Euh, euh, la photo, le, visage de l'enfant ou le prendre de dos ou mettre des émoticônes sur le visage mhm. avant de publier. Et ce sont des conseils utiles. Qu'en est-il de la sécurisation des comptes de nos réseaux sociaux Alors, on peut aussi euh, paramétrer ces comptes de réseautage social pour que les contenus soient pas très très visibles. Donc, il faut verrouiller vos comptes sur les réseaux, réduire la visibilité de vos publications et faire régulièrement le tri dans vos abonnés. Donc, euh, quand vous regardez la liste de vos amis, il y ben, en a qui sont plus actifs, qui sont même plus peut-être vos amis qu'il faut virer. Mhm. Alors, sur smartphone, vous pouvez configurer, donc sur votre téléphone personnel, les paramètres de confidentialité de votre compte pour limiter la visibilité de vos publications. Merci pour ces recommandations, Ousmane. Parlons maintenant des droits de l'enfant. Alors, depuis 1989 déjà, il y a eu la Déclaration universelle euh, des droits de l'homme qui indique que chaque enfant en fait a le droit de préserver son identité et sa vie privée. Les photos, les vidéos de vos enfants sont considérées comme des données personnelles et on insiste sur le respect de leurs droits numériques. Et quels sont ces droits, Ousmane Alors, les parents exercent en principe un droit sur leurs enfants, hein, en Europe en tout cas. Euh, sur les droits des mineurs, mais la CNIL, elle estime que les enfants doivent pouvoir agir directement sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont notamment le droit à l'effacement, à la rectification et à l'opposition. Hmm, merci, Ousmane. pour toutes ces informations capitales. Soyons vigilants lorsqu'il s'agit de partager des photos des enfants sur les réseaux sociaux. Exactement, et n'oublions pas que la technologie doit toujours s'accompagner d'une certaine responsabilité. Merci bien Ousmane pour ce partage d'informations. Chers auditeurs, à un musique, écoutons le groupe Yana qui nous chante Matraori. Karata chanté par le groupe Yana. Place à l'écho des régions. Oui, Habiba, direction Tessawa de la région de Maradi pour voir la situation des élèves qui abandonnent l'école en pleine année scolaire pour, à la recherche, pour la recherche du gain facile. Cette année, depuis la rentrée scolaire jusqu'à mois de février 2024, la direction départementale de l'éducation secondaire a enregistré 146 élèves du collège rural qui ont abandonné l'école pour rejoindre les sites orifères du Jadou du Mali. Écoutons le reportage de Moumouni sur le sujet. Zuwa neman zinari na ɗaya daga cikin abin da yake taka rawar gani wajen ficewar yara daga makarantun boko musamman na karkara da ake kira koleji riro don neman kuɗi a gundumar tesawa. A cewar Inspector Musa Sala shugaban da ke kula da sha'anin makarantun boko na lise da Koleji. Sai mun ga ɗalibai suna tsaka aikin su sai su bar karatun kuma su ta can hurin bida zinariya. kawai yanzu kasashen da mun yi a ƙarshen watan nasara na fevri mun samu wajen ɗalibi da da arba'in shidda. wanda aka ce muna suna tsakayi ne ka wasu ka tahiya su. Kama daga ajin Katrium har zuwa terminal na ɗaya daga cikin waɗanda suke barin wannan wurare. Sai S mai jirgi dai na ɗaya daga cikin wuraren da suka sha fuskantar wannan matsala a cewar shugaban makarantar Muhammadu Isiya. Mun rika samun kakin wannan saboda shekarun baya mun rika samun da kandida gaba na bakma suna tahiya da na birebe. Dalili shine guda neman kuɗi saboda su suna ganin kamar in mutum ya ce tsaya zai yi lakwal yaushe mutum zai samu. Saboda in ka ɗauki misali muna da yara yarawan Discovery suka bari tun Saigon suka zo da sabon motuna kuma da kuɗi kenan wannan yaro da ya zo yana jin shi da wajen miliyan biyu miliyan uku aljihu wannan ya za a yi kwatanta mashi ya zo ya yi karatu babban hadarin abin dai ne matasan da suka saba rike kuɗi kuma su kuce musu daga baya suna iya faɗawa a cikin wani halaye marasa kyawu C'est un reportage de Ilia Moumouni, un, couteau, un coucou à toute la population de Tessawa qui nous écoute en ce moment sur cette émission Le Niger sur Kalangou. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et Hassimi Gourouza est avec nous. Bonjour Gourouza. Ah, bonjour Salamoto, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza, ça va, ça Gourouza, après un mois de trêve, la Super Ligue de football du Niger reprendra son chemin. Oui, c'est une tradition pour la FENIFOOT, euh, la Fédération nigérienne du football, de mettre fin aux activités sportives euh, pendant le mois de Ramadan. Le repos est terminé et la reprise euh, de la Super Ligue est prévue pour ce week-end. Euh, c'était la 21e journée avant la trêve c'est l'équipe de l'AS Fan qui occupe actuellement euh, la première place avec 45 points, suivi de l'AS Nigelec 40 points. L'AS Garde Nationale occupe la troisième place avec 40 points. Quatrième AS Douane 39 points. Cinquième Union Sportive de la Gendarmerie Nationale avec 35 points. Kagour provincial de Dosso 16 16.15e, Akokana 16.16e et Espoir de Zender 17e avec 13 points. Grouza, les dernières finales de la Coupe de la Confédération africaine de football se préparent. Oui, Abiba, outre les clubs euh, qui renouent, c'est la CAF, la Confédération africaine de football, qui tente de trouver des solutions pour que les matchs se déroulent euh, dans de bonnes euh, conditions. La première demi-finale va opposer Drams FC du Ghana aux Amalek d'Égypte à Accra, la capitale ghanéenne, mais déjà des inquiétudes planent sur l'état désastreux du stade qui va accueillir le match. La Côte d'Ivoire est envisagée d'ailleurs pour la rencontre, mais, mais, mais, mais, la CAF cherche à trouver un moyen pour que le match se joue au Ghana à domicile pour Drams FC. L'autre demi-finale, il faut noter, euh, opposera l'usman d'Alger au RS Berkane du Maroc. Ça serait le 21 avril à Alger. Voilà pour le soir. Merci Guruza pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Bye bye. Salamatou, qui allons-nous découvrir aujourd'hui Originaire de la République démocratique du Congo, Walter Moulondi est un journaliste formateur. Après des années de pratique, aujourd'hui Walter est un formateur dans son domaine. Découvrons-le avec Hassan Nourou Abdraman. Coach Walter Moulondi travaille comme journaliste depuis une trentaine d'années de simple reporter à consultant média et enseignant des sciences de l'information et de la communication. Walter Molundi considère le journalisme comme une vocation. Ses camarades de la faculté de droit ne pouvaient pas prédire qu'il préférerait le micro à la toge d'avocat. À l'apogée de sa troisième décennie journalistique, Coach Walter Molundi se passionne à transmettre les ficelles du métier à quiconque se dispose à apprendre. Coach Walter a commencé à avoir de la passion pour le journalisme lorsqu'il était encore étudiant en droit en 1990. Dans les années 90, mon professeur euh, d'introduction générale à l'étude du droit nous enseigne des principes de droit et là, il commence à nous égrener des droits humains. je lève la main, je dis, mais tout ce que vous nous enseignez, on maltraite les gens, aucun droit n'est respecté. Et il répond, c'est pour ça qu'on vous forme, pour euh, apprendre le droit et le vulgariser. Et je lui réponds, ben, comment vulgariser ben, Il faut utiliser les médias, me répond-il. Ce jour-là est née la vocation. Le micro a pris l'ascendance sur la touche. Et aujourd'hui, <laughs> me voilà, une combinaison euh, formation juridique et journalistique, ça fait du bien. Comme dans la vie de tout travailleur, Coach Walter a aussi rencontré des difficultés au cours de sa carrière journalistique. Mais il trouve que cela fait partie de la vie du journaliste. Les problèmes que j'ai connus, c'était notamment en RDC et en Haïti pour des raisons de crise euh, sécuritaire. Je devais couvrir euh, des zones en proie à des conflits armés. En juin 2003, à Bounia, dans la province de Litouri, la couverture est très difficile. Je suis en train d'envoyer des éléments d'information chaque jour à ma rédaction centrale à Kinshasa. En même temps, je reçois des menaces pour dire euh, on sait où tu es, on peut te trouver, etc. etc. l'autre problème, c'est l'accès aux sources d'information. Tu as certaines personnes ressources qui ne veulent pas te parler parce qu'elles ont peur des représailles. Passionné de ce qu'il fait, Coach Walter nous raconte quelques expériences qui l'ont marqué dans sa carrière de journaliste. Quand je suis étudiant en droit, j'ai produit ma première émission s'appelait droit et justice pour tous. C'est par là que je commence. L'histoire de Bounia, où cette femme, par exemple, qui vient chercher un journaliste alors que son mari va mourir. Ça, c'est une grande histoire. L'histoire d'Haïti, euh, où grâce au travail médiatique, euh, on sauve une vie. Ça, c'est des choses extraordinaires. Avec une expérience accumulée depuis plus de 30 ans, Coach Walter Moulundi donne quelques conseils pratiques aux jeunes qui souhaitent embrasser la profession choisir un sujet pensant aux auditeurs, un sujet proche des personnes. La meilleure protection du journaliste, c'est de traiter les faits, de ne pas inventer les choses, éviter les commentaires. Il y a ce que nous appelons dans notre métier le baromètre des 5W plus H. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Ça doit être le filtre par lequel vous devez regarder votre production. Après trois mois de coaching passé au studio Kalangu, le rédacteur en chef nous parle de l'expérience vécue avec lui. Walter, avant de le rencontrer, j'ai d'abord entendu parler de lui. Et quand on parle de ce monsieur, on ne parle que du bien et de progression. Et quand il a mis pied ici, à Kalangu, il s'est vite adapté. Coach Walter peut travailler dans l'ensemble des rédactions du monde entier. Passionné durant trois mois de coaching avec coach Walter Molondi, Nafisa Amadou, journaliste au studio Kalangu, explique le changement qu'il a apporté dans sa vie de journaliste et pour son équipe. Je dirais que c'est une très belle expérience qu'on a vécue avec le coach, euh, surtout pour notre équipe, euh, le Desk Forum, euh, qui nous a amené à pouvoir faire des prévisions pour les mois prochains. Sa pédagogie, je dirais que c'est une des meilleures pédagogies. Après trois mois de coaching avec Coach Walter, Ismaël Ajibou nous parle de sa pédagogie qui a beaucoup marqué. Coach Walter, c'est quelqu'un qui parle toujours du contexte particulier. Il apprend toujours aux gens les prérequis journalistiques parce qu'on ne peut pas se lever, dire je suis journaliste sans pour autant connaître toutes ces choses-là. C'était le portrait du coach Walter qui a séjourné à Niamey pendant trois mois pour le renforcement de capacité de l'ensemble des journalistes du studio Kalangu. Chers auditeurs, une autre pause musicale pour nous détendre encore. Cette fois-ci, écoutons le titre Abdel de, le titre Auré de Big Abdel. Jim. Travis Glass on the beat. Such a sone, sone, yeah. Such a aure, aure, yeah. Such a sone, sone, yeah. Aure, since na achi aure. Sanchi na ya aure oh, suna a ce ta Allah aure na soyayya aure kai ka gane ta na ce kana ta da aure ce gogin amince son so ya kai ga aure oh, kai ka gane ta haka kana ta da aure oh, Basu ya kare komi andai daidaice, yau ka zan an ah, toho ita ta zama lafiya chine yau za a ya zama tilan sai Rana salaha sallah ce ku enga bi ɗan ranar Rana ce ku da ki buɗa ranar sallah ce ku gazelle au monte à faux sobre ga suru danga goroho ni kurin jarga wo ga bisa na magase nani sambuga de wonti si bonzi ki asani se ni kurin ya no ma bonzi na magase nani sambuga de wonti winda go ni kambara ngun wanda ni won ni mo arhicho talfino ir koini no amana no hairani no nikaina no ni wanda no ho oh, oh. masa jau ni ma abina farhan suginda gom ni ware ni fuhora ni windora Doriya chika titre de Biga Abdel. Le Niger sur Kalangou se poursuit avec la chronique Loti qui parle de la propagation de fausses rumeurs. Propager des ragots et fausses rumeurs sur autrui est néfaste, un sujet que les femmes du studio Kalongo abordent dans le Loti d'aujourd'hui. Elle explore les impacts sociaux et émotionnels de ces comportements dans une discussion directe à Arimi et Samira Rouafi. ki ji matso ki to sai me abi ke ce ko kuma kuna tare tunda ni a sani na tunda muka bar anguwan nan ba mu sake ganin ta ba a'a ba abokiyar mu bace ki shi abin da ta yi ma'anna ba me ta yi ga cewar mutane magance ta ta yi shi ma sanadiyar rashin lahiya anna <laughs> ya gaya miki wannan zancen mutanen anguwa ke ta yada magana na ce miki kina iya gaya mini me yasa rahina za ta iya ma anna irin wannan abun ha ke ko kina yi kamar baki sani ba kowa ya san da cewa anna babanta yana da kuɗi kuma a makaranta kowa ya santa wannan ya sa mazaje kyawawa iyan masu kuɗi kawai take ja a cikinta ita kuma rahina kowa ya san cewa su da iyayen nata suna da ɗaya ruhin asiri kenan wannan ne yasa take bakin cikinta tana kishinta har ya kai ga inda ta kai sunan wurin malami don ta kare da ita hmm. ke ma biki yarda da kanki ba a cikin musulminci an ce wallahi zato zunubi ne hmm? kin ga ke ma yanzu biki sani ba zato ne kike yi to yanzu ni wani labarin ne na shi ta aka yi hanna batta da lafiya ne tana ciwon oda ne na jira kullum na haɗi miki ki bar jita jita wannan ce ce ku ce wallahi babu kyau to amma inda gaske ne kin ce mini in bar jita jita a'a inda gaske ne ni na ce duniya ce ta sake kishin dan uwanka ya zama ruwan dare ga magare kuma ba kyau kai tawakkali da abin da Allah ya baka yafi kamar yadda Hausawa kan cewa kowa da rayuwar shi kowa da kaddarar shi mm. kamar yadda Hausawa kan cewa kowa da rayuwar shi kowa da kaddarar shi to haka ne <laughs> to ni yanzu in nace ke ma kina kishi na ha a'a dan me zan yi irin abu wani abu irin haka da Allah bari haba to kin gani haka dai yadda kika matse huskan nan haka rahina baiwa Allah zata yi idan ta ji wannan labarin. Na dai shi. To zo mu wuce. Daga bannan dai ke da karki yi wani ɓoye-ɓoye idan kin gane ta ba ta yi miki komi ba ba ta yi komi ba. To to na dai shi na gane kuma. ki saki fuska man kawata duk kin bikin sa fuskacin juna kamar da ke nayi. Ba dole ba in saki fuska ai ke ni ke ce nake yi wa wani hali da kake shiga Allah zunubi ne ke bari. To shikenan mutum. Grand merci aux desk femmes de la rédaction pour ces multiples conseils. Chers auditeurs, à présent, accueillons Omar Hamma pour la culture linguistique en langue fulfulde. Omar Gambeldo. Eh, Salamatou Kadiri Djambala, bonjour à Habiba et bonjour aussi Salamatou Kadiri. Bonjour Omar. Bonjour, comment vous allez J'espère que ça a bien fêté. Ah oui, tout va bien. On a bien fêté. Omar, le mot du jour est itolmudori » qui signifie la zakat. Oui, la zakat en français, que je vais expliquer ça tout à l'heure en fulfulde. e zakka ko wiite ittol mudori ɗum hunde noon ko watte nder lewru suumayere ko wajibi do alsilame allah fuu cuumiɗo fadde mum yaade e deni no wawi ittude ko wiite mudori ko laati hokkatanana nimɓe ɓe keƴoraka ɓe ngala bawɗe ndenne hunde noon ko laati no yiɗa e bani adama cuumiɗo fuu han tawe itti ɗum ko watta tawe ɗum uddi nokkugo woɗi du nimɓe ɓe keƴaraka kan woni ko ittol mudori ngol waɗante hunde du ko mbawɗa tawi a hokki ɗum jomum no wawi defude ɗum ñamude ɗum sangare mum guiɗo allah ɓe hettiniɓen ɗo wonto hannden mbiyen yewtere meɗen haaɗi eɗen gago jom kamɓe leydi hettinani e jango tomin gaddanta on kasidan inɗe gon komin pirtata e fulfulde Merci beaucoup, Omar Hama, chers auditeurs. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. you president na adadin ta sau na birnin su studio kalangu muna sauraren su shirye-shiryen da suke gaskiya shirye-shiryen na yana kayatarwa kuma muna jin daɗin sa allah shi ƙara kuma faɗaɗa abin eh, zam abin zan ci gaba shirye-shiryen yana wayar da kan al'umma wanda bai gane ba shi gane sakon eh, saƙonmu na barka da sallah ga al'umma gaba ɗaya na birnin kwanne da kewaye musamman ga shugabanni na studio kalangu muna miƙa barkan mu da sallah ubangiji Allah shi maimaita mana kuma Allah shi karbe din kuma Allah shi ba mu hankulin zama da juna musamman akwai kungiya ta mu ta ta sahu ta kasa gaba ɗaya eh kungiyar mu ta SNTTN Niger Sandika National da sunana da sunan ta sahu na birnin Kwana gaba ɗaya muna mika barkan mu da sallah gaba ɗaya da adede ta sahu na Niger gaba ɗaya musamman da shugabanni na kungiya ta ta sahu ta ƙasa muna mika Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Thank you.

Hey, remo ba ma ba remo ba makaci ba almai da danni mola da mola boga he kun san dai dai ga wani turwa Hoje bate, hoje bate, hoje bate, bate, hoje bate, bate, hoje bate, bate, hoje bate, bate, hoje bate, bate. Saca maragunha e se daga kwai ai da mamma ai da mata ni bai shara mamma no ba me me saman ni go wala bin de mana gano ai ga koi bo maradi ne ga naru isa tulu zubere isa mata ni bai amma isa mata ni bai bada danga barbai ne ga koi ne aba mana ga saidu ero te ni bai Betiro senke senke Shisha do tahiga sule Shisha do ine tahiga naru Kalo bor kuko falo sida do do Kotal man gaibu Na sera tendi bai Wala man do higa koi Alamai do hola do higa koi bo Amma hola do tendi bai Bai ma mamma fofo Fergala di ma fofo Chana abakanna managa chana

L'orchestre national qui nous chante Mouna qui fait, chers auditeurs, une bonne manière de bien boucler notre playlist d'aujourd'hui. والله يقولوا فما بنقى همسا بري وطا زكريا سيد الهدى منافجي الهجوجي مهمان دايزي من تاريخو مهي مالكي قاوان هيقا قوية أيدي مالكي قاوان هيقا لكن ثاني باي إسا ايدي ثاني باي transitero harunda kaise kun bebe kurinya nobo madina kurinya nobo suzu mandigo hadina finga tene bai palamaida danni mola de mola goga he masoud sanne na haga do rodurwa lakke ken rok rok rok hoje bale bale hoje bale bale hoje bale para tribunal wanawula ayo saga marguna hisiba walbinda managa hanayga bahima koy bubakar ballayzo mateni bay azizi illo azizi nahimake azizi illo azizi teni bay amena illo masudu walcarano walbinde managa nahiga zumbu bi do tend by Aziz Jiri Mandigo Bani Bani Bani Bani Bani Bani Guru Pama Bani mar Marsandezo Aichi Mewa Ide tend by Guru Pama Suji Ali Pulla Popo Alamahida Dandimola Limola Bogahebo Kuna Sunday Dodurwa Rakikak Rakakak connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. fin de cette émission de ce jeudi 11 avril 2024. Rendez-vous est pris demain à la même heure. Vous étiez avec Habiba Ahmed et Salamatou Kadri. L'édition a été assurée par Adam Adawaki et à la technique, c'était Seine Isaka. Vous pouvez nous réécouter sur notre site web le www.studiocalangu.org. Je vous retrouve ce soir aussi pour le journal en langue germain. Excellente journée à vous. bye. bye.